Euh, li ñu tax a jóg euh, waxtaan bi ma teunk si olof li ma jato expliqué ADV dafa nek euh, parti bu ñu naan Alliance des Verts mu ngi jëlee xam-xamam si mbolo mu takku bu daje woon fu ñuy wax Canberra en 2001 si Australie né dañuy xol légui naka la adina bi wara doxé pour que bien-être bi ñu fàtte woon si nit ki di wut comme koom rek ba fàtte santé nit ñun nak biñu taxawé ñu xol ñu xamné suñu économie euh dafa euh soxé dafa soxé ba paré euh li nga xamante moy walu alam bi nek lo xamante ne jëluñu ko jox ko gëddëm si li nga xamante ne nekk na économie mo waral tay jafé jafé yu dëkk yu am bëri si walu santé walu éducation biñu joggé nak taxawal ADV euh dañu né ñun dinañ euh population yi muy sénégalais Nous avons c'est li nga xamantene moy suñu gis-gis environnement éducation politique de santé biñu ba ñu programme programme euh, pencum tàngee mooy suñu programme bi nga xamante ne ñu ngi koy làmbat di ko gëstu euh, bi ñu demee nag ba xam ne léegi war nañu euh, dajeeg sénégalais yi war nañu dajeeg suñu peuple war nañu dajeeg euh, ñi nga xamante ne ñooñu tax jóg moo tax tey ñu toog fii pour wax leen fi ñu jëm fi ñu jëm nag ñaari mbir moo ko lëmb dafa am loo xamante ne dafa nekk li li ñuy liggéey pour yéen ak li nga xamante ne dañ koy liggéey ànd ak ak diaspora bi mooy doomu Sénégal yi nga xamante ne ñu ngi ci bitim réew euh, bi ñu jógee ci loolu ñu ne euh, lépp li nga xamante ne xew na ci koom-koomu àddina bi ci koom-koomu pays africain yi li ko waral mooy euh, wàllu alam bi dañ ko dugalul ci suñu politique de développement ñun nag ñu ne gis nañu yoon bi nga xamante ne suñ ko lëkkaloog ñi yàlla dënk nguur gi mën nañ leen dimbale ba ñu gis li nga xamante ne mooy des politiques yi mën a suqali réew sàmm wér-gu-yaramu doomu aadama sàmm wér-gu-yaramu gàncax gi sàmm wér-gu-yaramu jur gi si loolu euh, ñu ne ñu nag ñun Alliance des Verts euh, dañoo taxaw pour bokk si lépp loo xamante ne dina nekk élection pour que suba euh, fu nit war a mën a taxaw di décider pour peuple sénégalais mu am ñu taxaw pour di wattu bien-être am si politique publique euh, li nga xamante aussi nekk na suñu engagement mooy ñu fexe ba Sénégal euh, ñu yor ko yorin boo xamante ne dafa euh, tënku si wax ju rafet dafa tënku si jëf ju rafet dafa tënku si jëfalante bu rafet parce que limay wax rek mo si nek néna ben sénégalais gënul bëgg Sénégal benen sénégalais ñu ñëpp ko bëggandoo peut-être gris gis ñooy du wute des fois euh, alliance des verts ñi ko euh ay góor la ay jigéen ay ndaw yo xamante fi ci Sénégal euh biñu jugee ba euh monté nañu pratiquement dans toutes les régions des cellules yo xamante ADV amnañ militant fépp li nga xamante nak moy suñu gis-gis fi tollu ni moy ñu jéem a ba élection yëpp yu ñu jëm kàddu ADV nekk kàddu gu ñuy dégg taxawaayam nekk taxawaay boo xamante ne dina jëriñ doomu ADV ak askan euh, li ngeen di euh, xàmmee ëllëg militant ADV mooy taxawaay bu muy taxaw taxawaay yu yar taxawaayu teggin ak euh, respe parce que balaa ñuy togg ak yéen tàggu nañu kilifa yi ñu war a tàggu waxtaan nañu kilifa yi ñu war a tàggu si wàllu diine si wàllu aada ba ñu jox ñu seen ndigal moo tax ñu ñëw tey toog di wax ak yéen

Euh, dima jox sen xalaat pour que ADV war a nek une réalité politique ci Sénégal donc en résumé euh lolu la bëggoon wax euh, di wax ñëpp fi ñu ni euh liggéey bi commencé na euh, ci suñu parti massifier nañ ko li ñu am sax raw na suñu njort mais dafa am lu ñu téye mooy Covid bi moo taxoon ñu xawoon wàññi suñu liggéey li ñu leen aussi congrès international bi organiser organisé bokk na si parce que dañoo war a en 2021 euh, ay kilifa si àddina bi yëpp ñu def benn euh, congrès fii bu ànd ak benn forum Et forum boobu si la ñuy démarrer travaux et comme yéen suñu mbokku presse bi suñu partenaire ngeen euh, foog naa chaque mois dinañ leen woo wax leen fan la ñu toll liggéey bi pour que ce demee forum bi su taxawee ngeen am si seen wàll